Eh! eh aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Eh, eh, le monde part en couille. Non J'ai du mal à imaginer.